wàllu immigration Afrique yëpp ñoko bok Té tambali wul tay ji ay ati at la traversé na presque régime yi ñew ci Afrique yëpp limuy firi moy que ni politique yi ñu am jëm ci taxawoo ci wàllu emploi ci Afrique euh, cadre économique bi ñu war a développer situation ak opportunité yi ñu war a créer suñu réew yi moo manqué et dëgg dëgg dëgg nos enfants ne sont pas suicidaires la réalité c'est que ni nit bu fekke da nga tekki tekki wo nga opportunité gisuloo ko deug dëgg ni kuy alors la question de fond qu'est-ce que le gouvernement ou les gouvernements d'Afrique subsaharienne font par rapport à la question globale de l'immigration qui pose au-delà de tout des problèmes d'enjeux économiques sous-régionaux et de responsabilités sur lesquelles nous tergiversons depuis nos indépendances. Cela me permet, Monsieur le ministre, d'embrayer sur la qualité de la souveraineté économique et financière de nos zones pour que nous puissions véritablement impulser des politiques économiques qui nous permettent de subvenir et de réaliser l'adéquation qui consiste à améliorer nos cadres de vie et à offrir à nos enfants un espace de qualité qui leur permette d'évoluer. Et c'est ça la question fondamentale on ne l'a pas prise en charge suffisamment. Nous subissons les affres de ce phénomène-là et il est temps que de manière globale, qu'une solution soit apportée à ce niveau. Je pense qu'on l'a dit et redit. J'espère que nous avons jommal ci ministère Mais mais ministère des affaires étrangères si on parle franchement de grands technocrates des hommes d'État de qualité qui renforce l'esprit et l'image du Sénégal dafa jeex et la raison en est que aujourd'hui sénégalais organismes internationaux nous sommes en recul et ça c'est la réalité alors moi je propose monsieur le ministre il faut faire le point un sénégalais yi nga ni seet sénégalais yi que man de quelque bord qu'il puisse être ngén téla a di yi nga organisme internationaux yi à temps avant élection yi di am équipe spécialisée parce que dans les organismes internationaux wouté que musiba la et je pense que le Sénégal a développé suffisamment de ressources humaines pour nous donner les moyens d'être mieux représentés que ce que nous sommes aujourd'hui. Un autre problème, Monsieur le Ministre, c'est celui sur la qualité de notre passeport diplomatique il est ressorti que nous sommes derrière le Togo, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, pour un pays comme le nôtre. Parce que Hier, le ministre de l'économie et des finances avec euh, le directeur du budget m'ont reproché de, comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais si nous comparons la Côte d'Ivoire avec le Sénégal, quand est-ce comparer France. Mais c'est notre sous-région et il nous domine s'ils font des performances le budget Côte d'Ivoire bu donne 8 milliards warul dollars. daf ko budget bu 4 milliards vous ne pas et cette réalité là elle est là elle est pesante et il faut qu'on y trouve des solutions l'autre question moi, monsieur le ministre je pense fondamentalement que la politique des affaires étrangères dès l'honorable député Moustapha Girassi, mu un aspect important de la culture sénégalaise ce que le président Senghor avait très bien connu, notre spécificité, ce qui nous rend différents des autres. Et ça doit être un levier pour la politique diplomatique. Je vous remercie.